que ça cause des dégâts. Au-delà des dégâts des vies humaines, pour parler de l'immigration irrégulière, ce sont les forces de l'Afrique qui s'en vont. C'est la jeunesse de l'Afrique qui s'en va. C'est la majorité qui fait la différence qui s'en va. Mais également, c'est ce que nous disons tous. La jeunesse, l'avenir de demain, donc c'est l'avenir de cette Afrique et du Sénégal en particulier en ce qui nous concerne qui s'en va. C'est vrai, perdre la vie n'est pas facile. Quand une personne chère vous quitte, c'est toujours difficile. Mais au-delà, je pense qu'il faut voir que c'est beaucoup de choses que nous perdons. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion, avec nos éminents panélistes, de revenir sur ces questions. Mais comme l'a précisé les termes introductifs, l'environnement, je pense que nous avons des sachants, des spécialistes, des techniciens qui pourront dire davantage sur l'environnement. Oui, nous parlons d'environnement et tout à l'heure on faisait allusion à la baie de Anne. Et là également, il serait important que les interventions portent sur l'environnement global. Quand nous parlons de l'environnement global, c'est aussi bien ces questions de salubrité, c'est aussi ces pratiques de l'homme sur la nature, c'est beaucoup de questions qu'il faut soulever pour en venir à comment justement régler, solutionner, mettre fin définitivement à ces questions-là. L'environnement, elle nous nourrit. L'environnement nous nourrit. L'environnement nous habille. L'environnement nous fait boire. L'environnement, elle est la vie, elle est ce qui est ce que nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. vous allez me comprendre par conséquent sa protection et sa sauvegarde, me semble essentiel pour tout un chacun ici. C'est sa responsabilité qui est interpellée et qui doit s'engager. Aujourd'hui, avec ces éminents panélistes, je suis sûr, et je sais que c'est ce que vous attendez, nous aurons des explications, que ce soit pour ce qui est de l'immigration irrégulière, parler de l'historique et toutes ses conséquences, mais parler également du sujet de notre actualité qui est également euh, l'environnement. Euh, sans tarder, messieurs, dames, parce que, en tout cas, ce qui est essentiel, ce qui est important, ce que vous devez entendre viendra des bouches de ces panélistes. Je vais m'essayer à, les introduire parce que ce n'est pas évident quand vous êtes devant un, imam, un imam intellectuel qui à la fois euh, fait ses recherches sur cette science mondaine, mais également sur l'autre science. Quand vous avez un professeur et qui est également au cœur de la vie de la cité, à la municipalité, quand vous avez un visionnaire qui, dès les années 1975, s'est intéressé déjà à la question de la protection, de la sauvegarde de l'environnement, ce n'est pas facile de placer un mot, mais, mais je m'essayais tout simplement. Et je pense que vous allez applaudir M. Euh, c'est de M. Djaou, de la mairie de Dakar pour prendre en premier la parole et nous faire son exposé. Monsieur, dames, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président Moustapha, l'imam Mamodoussi, grand maître Diop, le précurseur vraiment de l'environnement au niveau de Ambelair, notre jeune frère président Abdurrahman Kamara, aussi président en tant que président de la CRAP, c'est extrêmement important parce qu'on parle de l'environnement. Aujourd'hui, moi, je, la, vais saluer sur ce titre d'abord. Saluer vraiment M. le maire Gay, qui est ici au Maris en tant que représentant des populations. Je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres qu'on est très ravis, très contents de retrouver la population annoise. Certes, le nombre n'y est pas pour le moment, mais je pense que les ressources humaines de qualité ici présentes peuvent vraiment parler au nom des populations. Comme vous le savez, d'ici la semaine prochaine, d'ici 10 jours, on organisera ce qu'on appelle la COP, la conférence des partis COP28. Ce qui veut dire, de 1972 à nos jours, le monde est en train de bouger dans le domaine de l'environnement parce que 1972, c'est la conférence de Stockholm. C'est à ce moment-là, avec le fameux texte de langue, qu'on disait que le monde est en train d'être menacé. Merci. Mon nombre de personnes pour parler, pour faire partie des intervenants autour de ce panel. Et avant d'aborder le thème de l'immigration clandestine, je ne vais pas abonder dans le même sens que mes frères ici présents, je nomme M. le maire, que je félicite de son exposé aussi bien précis que concis, mais en même temps, M. Matsudo. Je dirais que le problème de l'environnement, ça relève surtout de l'acte discriminatoire de l'État qui privilégie la vie humaine à la vie animale. Moi, mon principe, c'est le droit de vivre pour tous. J'en parlais parlé tantôt des installations, je ne parlerai pas des thèmes abondés par mes prédécesseurs. Je parle surtout dans le sens des vies qui ont été éliminées. Euh, la nature, dans son ensemble, on ne le dira jamais assez, il y a une corrélation entre l'environnement et la une dans un environnement sain. Combien de bâtiments sont là à la place des à la place de, de la flore avec la destruction de la flore les arbres qui étaient là et les emplois qui ont été éliminés encore parce qu'il y avait des puisatiers, des cultivateurs, il y avait des émondeurs des familles. Ça, je retrace ça dans ce roman que j'ai écrit sur l'éducation clandestine, mais j'ai parlé d'une très large mesure de l'environnement où on crie de détresse. Et fait de la part de l'auteur, quand je disais quelque part, le spectacle est touchant. Qu'ont-ils fait de nos chambres que cultiver papa. Je pleure. Et pourquoi pas J'ai pleuré de plusieurs. La France et l'Arabie, quand il fait des rizières, dont vivait la famille. Parce qu'ils ont éliminé, mais les travaux. régulation régulière parce que aussi savez bien qu'il dëkk boo xam àdduna boo xam Il faut avoir une Sénégal il faut ay ay loi, il faut lois une réglementation. réglementations. faut réglementation signé accords internationaux Combien de pays ah, boo buggee tukki am na loo xam ni danga ko war a matal mooy sa sàkku réew da war a méngoo ak moom man tey jii ak monsieur le maire ak Abdourahmane yaraax nañ dëkk de bu ñu yoon suñu gaal dem wàcc Tenerife loolu tukki bu jaar yoon parce que doom noonu jaar si man war nga Tenerife dëkk bu fuy dugg aéroport ngay wàcc wula nga wàcc port wula nga wàcc lu point de passage officiel Pour vous voyez le point de passage officiel. Le Sénégal non, a loi la loi du euh, la loi 2005 06 du 10 mai 2005 définit que organiser immigration clandestine madame, pour jël ay vous pour euh, ñu faire une vie, vous pouvez 5 ou 10 ans de prison. mu ne te aussi jox amende boo xam ne un million ba cinq millions de francs c'est-à-dire que man mënumaa Sénégal dem ci benn réew saa yëngu donc loolu la wax immigration irrégulière bu dee pour beneen réew réew moo gis dafa noo fay duggee ak noo fay génnee mënumaa yeewu ba tey ma ne monsieur le maire ñu dem dugg Espagne toog foofu jaaree ko côté terroriste loolu mënul nekk. ça il faut que aussi mu leer léegi li nga xam ne moo tax mu am importance mooy que pour migration régulière li ci ëpp solo nga xam ne duñ ko def mooy que duñ ko waajal d'abord làkku réew mi jëm mënuñu ko ñaari bi jëm aussi ñoom amuñu fa déjà liggéey amuñu liggéey foofu ñetteel bi li jëm ci wàllu formalité administrative defuñ ci benn parce que boo yow booy soo xoolee bu ñu jëm du yoruñu benn këyit j'ai oublié son nom bu ñu duggee ci oto bi mu jël ma aéroport di ma yóbbu may dem sama oto yi mu ne ma yow yaa tax ñu retardé aéroport ci voyage bi depuis lors ma ne ko pourquoi mu ne ma parce que dañuy yow soo ñëwee fii da ngay daw tu es jeune da ngay daw mais sama jukko mool bi jàpp ma j'ai réagi automatiquement ma ne ko vous pensez moi j'ai laissé une femme et des enfants à à je prends l'argent du contribuable je ça c'est du vol pour moi ça c'est du vol si vous ne voulez pas qu'on ne vienne dans vos pays, vous ne venez, nous ne viendrons pas dans vos pays. Moi, je jamais pensé que vous étiez aussi conscient. Donc ça, c'est une insulte pour nous. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Donc voilà le problème. Benin du aussi mal man pour man immigration clandestine lenn rek mots ci am solo passeport tubaab lan moo vraiment il wax na ko ma remercier parce que l'idée de def c'est la culture c'est un acteur culturel nous, màggandoo ci c'est culturel qui parle il a écrit d'autres, retrace vraiment l'histoire de mais surtout les femmes lu def aujourd'hui am qu'il y parce que de bëgguma à aborder pour ne pas allonger les débats mais Khalid ce sont les braves valides de et des autres qui sont partis parce que Khalid

et puis ñun ay nitu ndox la ñu bu Demba Faye demee demee tukki mbooy jiwu Souleymane bu jigéen dafa Demba Faye yéen a bokk benn part te yaay yaayam gënuma man est-ce que doo dem de ay réalité sociologique pare na pour moom jaay ay takkaayam jaay ay terrain pour que au moins pour des problèmes purement psychologiques pour doomam dem koy fay ñun ñu dëkk yaraax bindoo fa salaire quatre-vingt mille am am jabar am doom location kooku nan lay mën a dundee dundee noonu mënul nekk bu ñëwee Sénégal problème bi fii amuñu problème amuñu problème xëy mais problème salaire ngay am amuñu problème xëy fii ñëpp fii ñoom gis dañuy xëy pour pour gàttal rek aussi entrepreneuriat bi ñuy wax sànq dégg naa loolu si ñu ne bon kii bu defee non duñu dem parce que benn benn facteur bi ci gën a am solo aussi mooy yow sa xel bu nekkee góor bu ngay liggéey di am xaalis da ngay dem même boo amee cent millions da ngay dem pour réussir au Sénégal il faut que sa xel nekk Sénégal nga bañ a xool Europe sa xel bu nekkee Sénégal di nga réussir waaye fii boo liggéey parce que ku liggéey am na xel mais moom projet la def si boppam daanaka bu ma amee wala cinq man damay mais moi je veux juste interpeller euh, nos autorités communales euh, on a beau parler d'une manière euh, assez globale, je pense que les solutions sont là aussi de manière miniaturisée. je pense que euh, action yu ndaw yooyu ñu xeet. wala mun na indi lu bari. ñëpp ñu topp je donne juste l'exemple de a où on est. Hein. Mhm. ou bien je ne trouve pas trop mais je vais prendre l'exemple de, de, de la pièce dorée. Je pense que s'il y a des, des sociétés qui s'implantent ici, mhm. à, euh, à, mon avis, la, la commune, mhm. réellement, fait sans la commune, je pense bien. Euh, moi, je suis allée acheter. Euh,

cette problématique d'immigration clandestine. daf vous daf en 2019 nous avons euh, formé un programme photo, euh, photo en euh, Fot photo en yi bu ñu nee la responsabilité de est à nous en tant que population. je pense qu'en septembre, on a, on a eu à retenir plus de 600 microbes en septembre. Mhm. Ces 600 microbes là est-ce qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire pour eux Nous, c'est sûr qu'ils veulent partir est-ce qu'il y a un suivi qui était derrière que ces familles-là Nous, qu'est-ce qu'on a dit C'est que notre peuple nous nous nous, nous, nous financer. Mais avant ça, nous avons vu à faire un programme d'entrepreneuriat pour On a on a de de jeunes. Je donne juste un exemple, même les jeunes qui des familles Nous def beneen business si biir business bu mu commencé woon ak aussi naka la aussi la war a mën a gérer xaalisam loolu juste un exemple que je donne donc voilà donc juste pour dire que l'esprit entrepreneurial aujourd'hui est très important donc il faut d'abord que nous fàttali ndaw ñi et aussi que nous xam que ni du projet du xaalis mooy projet mais projet du mooy far xaalis. merci beaucoup jërëjëf. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu defal waxtaan euh, nga xam ni euh, ñëpp xam nañ ko ci yaar grand Maguette Diop monsieur le maire imam Ahmad Sy présenté kenn leen présenté ñëpp leen xam bien sûr di leen remercier ci waxtaan bi xaw naa ci tardé lu bëri mais li wax contribution pour contribuer tout thème Voilà, je voudrais remercier euh, Moustapha et de ah ci initiative l'organisation. Euh, organiser l'organisation de xam organisation euh, musique événement culturel mais il de culture comme ni ko kilifa bu mag doon la culture est au début et à la fin du développement lépp loo indi te développé culture loolu du dem yàlla moo def loolu mhm. bu ko defee ñu leen di remercier ci lii ñu taxawal euh, waxtaan bi nag thème bi am na solo am na solo lool lool lool lool waaye man dama gis ñun suñu aada maanaam Sénégal ñu ñu aadoo mooy dañuy jàpp mbir waxtaane ko mu jeex lu am rek maanaam li koy jox lu xew di ja lu lu ay di jàmbat lu xew di di jàmbat mbir day xew bu waxtaanee bu jàll mais ci biir loolu ban solution la ñu koy posé li ñuy wax ban solution problème bi ñëpp xam nañ ni mu bëri pour mën a compter ñun si suñu bopp su fekkente ne dëgg nañu xam nañ li war a liggéey comme les problèmes on les connaît kon bu ñu doxatee di waxtaan ñu wax ay solution ñu ñuy proposé askan bi naka la ñuy génnee si parce que problème bi yëpp moo am donc bu ñu dox di attaqué lii moo tax yenn fan yi nii nii nii nii loolu ça ne fait pas du temps parce que problème bi ñëpp ko xam ñëpp ci doo sax et c'est pas la première fois man bi ñu njëkkee vague bi njëkk a daj immigration man sama conception bopp dama ne mooy dañuy xam. Mais tey j'ai changé de gis nga tey jii aujourd'hui man nee naa booy xaru parce que fi ñu toll bay def lii yow tolloo ko kon mënoo bien que moom nga juger booy yi naan dañuy xaru dañu lay seen bopp gaaw mais le mais

existe une réglementation d'extraction, puis une pouvoir d'extraction. Mais, est-ce qu'il est innovatif ou bien établissement euh, C'est donc nous pouvons investir, nous pouvons contribuer un peu aussi à faire l'immigration. Parce que je m'y connais, parce que je suis un immigré. Donc, maintenant, 30 ans aux États-Unis. Mais j'ai décidé de venir investir dans mon pays.

ñi fi wax ñëpp euh, li ñu wax am na solo mais boo xoolee Sénégal à chaque fois am ni ko waa yi waxoon léegi je pense que moom la xale bu ndaw si boo demoon fii war na bonal Sénégal xale bu ndaw boo demoon fii war na bonal Sénégal so donc ñun affaire yi jànkonteel à chaque fois kon kan moo nekk ci base bi gis nga kii waxtaan fii boo leen seetloo y a un problème de complexe am na fi wax sànq

Aujourd'hui, on ne même pas compte de ce problème-là. Moi, je rappelle un exemple. Depuis que je suis venu il y a une politique qui est en. Je me rappelle plus là. Moi, je suis venu Moi, je suis venu. Nous sommes venus. Moi, je suis venu pour le c'est un peu mon gën ci àdduna. Le réel, wala ngay gën seen dëkk moom gën ci àdduna boo fi ñëwee da ngay gis ñu jël ak des acteurs culturels muy le hip-hop jël beneen ak acteur sportif mooy acteur basket acteur football américain tout ça ñu ciy wane ñaata li nga xam ne vraiment. monsieur Amady la maire Mara Diop ak man les conseillers à l' et puis en même temps tax euh, ma tax ma jël parole ak yow obligation wax may wax parce que man la ma ci jaar man moo ma yàqal bëri man sama àdduna parce que man service yi lay liggéey tey lu ko lii bu ma sant lii. maa koy obligé rek ñu dox ko tas Sénégal ñu dox ma ñu wóor ñu topp li ma yor ma ko yëg bu baax nee na yàlla dama dimbali awoon na dem taw taw naa suñu kër dimanche yàlla dama dimbali loolu alhamdulilah yàlla di kon tey jii damay ñu luyee ñu jëriñ moo tax ku ma déggal dëgg dëgg dëgg doo def trop trop mu tar li may dem fii ma la ko doon def sama yoon mënoon jaay ay net ñu nekk nii jaay ay net ay dana seede yooyu bëgg gën a pon ñu bëgg tu vois gën a pon ñu bëgg lu baax ñun pon nañu force ñu xool ñu lu baax da nekk ñu plage bi jaay wala ñàkk seen pon tey ñu Sénégal moo tax suñu dëkk bi war na liggéey bu ñu jógee suñu bopp te suñu bopp kër bi Sénégal mooy Sénégal ñu liggéey dañu ko Sénégal dëkk gënu moo gën a nekk àdduna Sénégal da nga am daay daay rek ay man dem naa ñu dem naa ñu France au nom de Dieu bàyyi waaye xanaa moo tax fu ma dem man xam naa loolu sax moom lañ ma naaw la wala liggéey wala dara fu ma dem bu ko defee un mois wala six mois def naa Sénégal def naa Francfort def fa un mois ñu ñu ma liggéey ñu dinaa suma dara ma ne man dara du ma fekk du ma fekk naa Sénégal parce que tukki lii laay bëgg a gën a baax au nom de Dieu <laughs> daal xale bu tukki. c'est le fait d'être sur il faut que nous nous des conventions de ces des institutions, de les visas. Nous C'est très compliqué d'avoir nos visas. C'est normal politique de solution. Il faut que nous trouvions, c'est c'est politique de coopération internationale. L'on est l'idée. L'on est est libre. droit de, Parce que droit des Nations cest dit, que c'est réglementé par le monde de faire un droit de Vous Vous da nga la de mais boo déplacer, déplacé dañuy def une condition, mais en contrepartie ki déplacé dans aucune condition à part deux réunions, mais ça devient injuste et donc notre solution elle elle reste comment je dis pas pas normale mais justifiée je pense que si on réussit tout ça et que l'État prenne en compte prenne en conscience que jeunes yi ñëpp di def am ça va me sortir que beaucoup de pays qui se sont développés dans le monde n'est qu'à références aujourd'hui ay l'immigration, immigration yi moo ko la Chine l'Inde tout ça mais ils se sont inspirés Mais ce que faisaient les Européens en demande de leur de développement pays quand xam yooyu nous donner ils nous seen pays dafa créer des concepts des modèles de développement qui leur est pas. États-Unis pays de l'Europe, immigrés ne émigré Italie pays émigré France à un moment gis ngeen Voilà mel boo laal ñaar ñett nit ñoo xam ne seen origine nekk ay immigré donc pourquoi ñu bëgg tere ñu dem mais dañ ko organiser dañ koy organiser ba suñu loolu ñun bëgg dem lañ qui doit organiser ça il doit prendre les responsabilités je pense que c'est à eux de faire la solution et c'est un thème très très important maintenant c'est risqué C'est vrai malgré tout man j'encourage aucun voyage à l'arrière man moom bokkuma suñu koy wax aucun voyage je parce pas c'est parce que je bu doon je pouvais le faire j'aurais dû pouvoir faire un document ay nit ay nit minute, il y secrétaire qui qu'on a eu sur des fichiers. parce que tey nous ñu dëkk la côté culture bi part mais bon malheureusement côté culture bi y a lu bëri loo une ne def ci nous ñun nag pas rek da wax dañuy def culture wala dañuy parce que tey liy défilé écran depuis ce matin a place yoo xam ne dafa am fu ñu ko fekk mu am nu mu meloon ñun bu ñu ñëwee dañu gëm ne dañu nekk ay jeunes dafa am loo xam ne dañ ko war a contribuer ci suñu quartier en fait xaaruñu pour quartier bi rendre ñu service mais dañu jéem a rendre service quartier bi. et que tey bëri na ay ay activités yoo xam ne def nañ ko tey yoo xam ne yu visible la yoo xam ne Maristes événementiel moo ko def donc buñ ci revenir donc li ñuy wax rek mooy ñu ngi tàllal loxo ñëpp parce que je pense que tey li ñuy def nii képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci Maristes yow yaa ko moom peut-être yombul. parce que day demander ay sacrifice yu bëri day demande ay énergie yu bëri dafay demande côté finance lu bari parce que du fii lay jeexee am na loo xamante ni ñu ngi koy organiser goon parce que damay wax ne euh, booy ak def lu mel nii da ngay sóoraale ñi kilifa yi sóoraale jeunes yi cest à li ngay def ñëpp mën ci gis seen bopp. donc panel bi ku ne xam nga ne. thème yi ci jël ren actualité la kenn mënul wax Sénégal parce que tey mënoo taal sa télé wala nga taal sa dégg thème yi nga xamante ni moom la ñu jël ren. Mm. donc loolu aussi euh, mu nekk loo xam ne ñu ngi ciy ñu ngi koy rafetlu bu baax di jox tamit jeunes yi euh, rendez-vous ngoon incha allah rabi à partir de 20 heures ci terrain basket bi ci concert boo xamante ni nii mooy clôturer clôturer euh, festival bi cette année donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp.